Ladies and gentlemen, vous êtes sur l'artiste s'exprime du studio Kalangu. Je suis avec Akime King. On se rend chez Baraki Nawawala, on lui fait la surprise et, vous connaissez déjà le nouveau concept. Et si vous ne le connaissez pas, c'est pas un souci. On va parler, et eh bien évidemment, des 5 ans de carrière de l'artiste dans un premier angle. Ensuite, on va parler dans un deuxième angle les difficultés et de tout ce qu'il a gagné dans la musique. C'est de cela qu'il s'agit et parler aussi, en fin de compte, de ses projets. Ladies and gentlemen, entre la caméra ce barakina baba Varakina, barakina baba Allah barakina baba Allah tai agaya ma wanda accesso ma wanda. oui mon frère tu vas bien il est là ça se passe bien il est là on vient même juste de se réveiller il n'y a pas de souci je vais le surprendre on y va tu vas mais indiquer là où il est et c'est ça aussi le concept de cette émission mesdames et messieurs premier jour de l'an nouveau concept il vient se réveiller, c'est pas qu'on arrive. ouais, ouais. Il est là. <laughs> Tu vas bien On m'a dit que tu veux te réveiller. Mais moi je veux me réveiller Mais c'est ça le concept de l'émission mon frère. Je suis en train, <laughs> je suis en train de faire des tours sur le téléphone. Voir comment ça marche. Je peux voir ce que tu es en train de regarder là Ouais, je fais un repérage de meuf sur Insta. <laughs> ouais, c'est pas facile. Alors, ah, ce qu'on va faire, pas de soucis, on va te laisser aller. On te suit, hein, tu vas te brosser un peu. OK. Euh, euh, on va au studio. Le studio est ici ou bien ailleurs Le studio, est de l'autre côté. Donc, du coup, on va t'attendre, tu vas te préparer. On va C'est ça. Ok, d'accord. Pas Bébé, ah, on t'attend, on t'attend, on t'attend. Yep. Yeah, ah, Allez, c'est quoi ça bah ouais, c'est une guitare, je m'entraîne. Et, tu es parti t'armer en fait, sais surpris et là tu me surprends. <laughs> ouais. Tu vas faire quoi avec Bon, je vais essayer, je sais pas, je veux... on va faire une petite introduction avec, vu que c'est pas trop le professionnalisme. Et après, on rentre dans notre costume. <laughs> Alors, on y va, on y va au ghetto Tranquille. Tout à fait. Donc, du coup, on se positionne. C'est une première qu'on te voit vraiment, la vraiment, Vraiment, ça fait quelques semaines que j'essaie de. Ah, quelques semaines Quelques semaines. Aikikawe. est Qu'est-ce qui t'a plus motivé Vraiment, la guitare Touareg, elle m'inspire beaucoup. Le peuple Touareg m'inspire beaucoup. Et voilà, je me suis dit que voilà, je vais, essayer d'apprendre quelque chose. Douane de cortoire. Touareg. Douane de quoi, <laughs> <laughs> C'est là. Alors donc du coup, Oga bébé, a fait mon truc comme ça, moi je vais essayer d'être tout déjà dessus. je Non, je vais euh, te suivre dans tes feelings, tu sais comme d'habitude, comme on a pu de le faire. Amis, téléspectateurs et téléspectatrices, euh, la caméra du studio Kalangu a chassé aujourd'hui euh, l'artiste Barakina Baon Allah. Vous le connaissez déjà, il n'est plus à présenter. Et la nouvelle philosophie de cette émission, c'est parler surtout et surtout, je dis bien, de ce que font nos artistes, de leur activité, de leur vie privée et aussi euh, professionnelle. Ah, c'est bon, tu te débrouilles bien. Barakina ah. le plus à présenter, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, il fait notre fierté. Il passe déjà à l'international, vous le savez déjà, euh, sur les chaînes internationales. Et ici, aujourd'hui, quand il passe déjà, on est trop fiers de lui. C'est des émeutes partout. Donc, du coup, c'est son temps, c'est son moment. al parlons des 5 ans de gestion. Nous avons 5 minutes pour parler de 5 ans de gestion. C'est ça le concept du premier année aujourd'hui sur cette émission. 5 ans de gestion. La première année au Parlons de ça. Donc la première année, euh, elle rappelle déjà directement le début. Donc c'était vraiment le moment où il fallait que je m'impose sur la scène musicale nigérienne. Donc j'avais fini le master, j'avais fini le master 2 vers fin, fin 2016. Donc automatiquement j'ai commencé à réfléchir sur l'album. Mhm on, a écrit le premier album Keba Bani, on a commencé la promotion, on a lancé les clips, on a lancé les sons. On est allé jusqu'à faire la première tournée nationale qui a pris dans toutes les régions. Après, on a fait le grand concert de Niamey le 20 mai 2017. Donc c'était la première année. Ça c'était la première année. Avec la tournée déjà nationale pour rappel. Nationale. Tu as fait d'abord le Niger. Partout on était passé, c'était très très méchant. Mhm. Après on est venu à Niamey, on a fait une chirurgie. Super. Alors on sait que tout est parti aussi du CCBG. Euh, le 20 mai, c'était un cas de déclic d'une manière d'une autre de l'artiste Barakina Bawan Allah. Alors à partir donc de la deuxième année, on sait déjà que la carrière est confirmée. Sunyame est quand même la capture à confirmer. Tu as commencé par l'Inter du pays du Niger, tu confirmé. Et maintenant après le concert, explique-moi comment est-ce que les choses se sont passées. Parlons du lendemain. Donc juste après le concert, euh, là j'ai pris ma carrière en main parce qu'au début, il y avait il y avait le producteur Ibrahim qui me suivait. Donc à, après, à partir du deuxième projet, le contrat était fini, donc moi j'ai continué tout seul. J'étais parti au Bénin d'abord, j'ai réalisé Dalla Dalla. Mhm. Donc j'étais parti d'abord en idée de single. Après j'ai réuni dans une mixtape que j'ai appelée Wasabatakariba, Donc c'est là-bas avec les Dalla les Zanzana, les Bakaleda et tout. Donc ça, ça nous a permis aussi de, continuer à maintenir un peu le cap sur le plan national mhm. et ça nous a permis de faire la tournée internationale sur les quatre villes africaines. Ah Burkina, Lomé, Abidjan, Super, c'était l'an 2. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé euh, L'an 3 Alors l'an 3, on est revenu avec un deuxième album. Deuxième album Oui, en 2019. Le kit, Le Qui était composé de 18 titres. Ah, tu n'as pas arrêté de travailler J'ai pas arrêté de travailler parce qu'entre temps, c'était encore un peu plus simple. J'avais déjà mis en place Music studio, le studio était en place. Ah, ah. Donc euh, voilà, Mister Sef était opérationnel, donc on faisait du travail. Là, on a travaillé sur 16 titres et sur 18 titres. Donc les 18 titres étaient sortis le 2019. Là, là c'est l'an 3. c'est l'an 3. Alors, parlons de l'an 4. L'an 4, alors, on a lancé la deuxième tournée. Deuxième tournée, l'an 4. Avec l'album Ludique. Donc, on, a déjà, on avait déjà fait le plein de Bosso, on a fait le plein de Kony, on a fait le plein de Tawa, on a fait le plein de Zander, on a fait Maradi, on a fait Agadez, on a fait Tifa. Ok, on devrait faire Miami. Le 4 avril. 4 avril, Malheureusement, on était tombé dans la période du Covid-19 Donc, euh, a quand même bloqué la piste de Barakina Baron Allah. Dans, la quatrième année. Dans la quatrième année. Ça allait être la deuxième tournée totale. Donc, du coup, une petite pause. Du coup, une petite Covid oblige. Covid oblige. Et l'enceinte Bébé Maintenant, là, il fallait maintenant commencer à préparer encore maintenant le retour parce que tout était resté calme. Donc, on a refait les tubes. Ça fait un an aujourd'hui que j'ai sorti Kanda Samu. Mhm. Kanda Samu qui, qui est on a a aussi Entre temps est Les gens ont Et Sawongo qui sort le 1er janvier. Sawongo qui est déjà sorti le 1er janvier. D'accord. Oui. Donc Sawongo qui est déjà sorti le 1er janvier. Que je sais que les gens vont en prendre. Et ça, c'est pour montrer la cinquième année dans le 5 février. Et ça arrive déjà, cinquième année, 5 février, le bilan de 5 ans de gestion en 5 minutes sur le studio Kalangu. Alors nous sommes à la fin de cette première partie consacrée à la jeunesse nigérienne parce que le studio Kalangu c'est 47 radios partenaires. Considérons que c'est tout le Niger équipe Alors est-ce qu'aujourd'hui l'artiste a un message à l'endroit des fans de la musique nigérienne Parce que les fans de la musique nigérienne, c'est les fans de l'artiste Baraki la grande famille. Bien sûr. Les Oga. Bien sûr c'est vraiment de leur dire de, croire en nous. Moi, c'est ça, je dis vraiment parce que c'est de l'avant tout peut commencer. Quand ils vont croire en nous, c'est qu'ils vont nous donner plus de force. Quand ils vont nous donner plus de force, c'est que nous, on sera obligé de faire plus de force. Donc, vraiment, c'est de dire à tous les visionnaires, à tous les femmes de continuer à nous, de continuer à croire en nous. De continuer à nous donner de la force, ce n'est pas facile. Pour vous, oui, pour nous aussi, ce n'est pas facile. Mais voilà, continuons de nous donner de la force. On va relever le défi, on est à côté. C'est ensemble que nous pouvons déplacer les montagnes. Marcher dans le BBA. Finish la première partie. On se rendra rendez-vous demain. Même heure, même fréquence. C'est la même qui va changer. Au BBA. Le bout.